forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum 18h passé de 16 minutes à Niamey, les programmes du studio Kalangou se poursuivent. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou. Les émissions du studio Kalangou que vous recevez grâce à une vingtaine de radios partenaires un peu partout à travers les huit régions du Niger. Ce soir, nous abordons ce forum avec euh, les journalistes de l'ONEP et de l'ORTN annoncés disparus dans le Kawar de retour d'une mission de vulgarisation du plan de développement régional de la région d'Agadez. Ils racontent leurs mésaventures. Ensuite, l'opposition politique nigérienne a désormais un tout nouveau cadre de lutte, le Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République FRDDR, à suivre la présidente du Racine Hadinkai, Madame Bayer Magamaki, sur les objectifs assignés à ce tout nouveau cadre de lutte. Et enfin, le ministre de l'Intérieur, Bazoum Mohamed, a présidé ce jeudi la cérémonie de lancement de la cinquième édition de la semaine culturelle et sportive des scolaires nigériens, la contribution des scolaires de la lutte contre la migration clandestine était le thème qu'il a abordé dans son discours. Voilà donc l'essentiel pour le menu de ce forum euh, pour le forum pour le, le forum de ce jeudi 1er septembre 2016. Je le disais tantôt, en mission de vulgarisation du plan de développement régional dans le Kawara, les deux journalistes annoncés et disparus sur la voie de retour ont finalement regagné Agadez le samedi dans la matinée. Il s'agit de Abdoulaye Haruna, correspondant de l'agence nigérienne de presse et de l'ONEP, et Malik Abdraman Moussa, l'OPV à l'ORTN d'Agadez, notre correspondant en Dagadez, Moussa Maman s'est entretenu avec euh, Abdoulaye Aruna euh, sur le calvaire qu'ils ont passé. Abdoulaye Harouna, on peut savoir concrètement ce qui s'est passé dans votre euh, mission tout récemment dans les déserts Donc la semaine passée, nous sommes lancés donc à la conquête du Sahara et du Ténéré, plus précisément le lundi, afin de relier Agadez et Bilma pour la couverture d'une mission de vulgarisation du plan de développement régional dans le Kawar. Mais notre calvaire a réellement commencé le jeudi après-midi quand on revenait sur Agadez. Le jeudi, nous avons quitté Turku aux environs de 16 heures avec un chauffeur sexagénaire qui était reconnu malade depuis Bilma par tous les chefs de mission de tous ceux qui traversaient le Ténéré pour Agadez. Notre premier réflexe a été de savoir si la Toyota Hilux qui était avec euh, les chefs de mission n'était pas de passage, mais que cette 4x4 ne s'est même pas arrêtée pour leur apporter au moins une assistance parce qu'ils étaient en panne. Donc à plus de 70 km d'Achibourg, c'était la nuit, donc on a roulé la nuit, toute la nuit. Nous avons eu une crevaison, ce qui a immobilisé notre Toyota 4x4 où j'étais donc à bord, euh, j'étais avec euh, Malik euh, Moussa et puis un ex-militaire, Dieu merci, que nous avons embarqué depuis Durkou. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand vous faites face à ce genre de situation nous avons une crevaison. Le chauffeur est souffrant. Il n'a pas de clé de roue. Il n'y a pas de quoi remplacer la roue donc euh, défaillante. Qu'est-ce qu'il faut faire J'ai pris ma lampe torche donc euh, que j'ai remise à, Alex l'ex euh, militaire là. Je lui ai dit de faire des jeux là. Il n'a qu'à faire des jeux avec la lampe torche pour attirer les gens, tous ces gens qui convergeaient donc vers les puits de l'espoir tous les gens qui viennent de Ségédène, de la Thaï, qui viennent de la Libye, on tourne Drukou pour se retrouver au puits de Ashgour, ensuite au puits de l'espoir. C'est au puits de l'espoir que les gens passent la nuit pour quitter le lendemain pour euh, Agadez. heureusement, il y a un jeune homme d'Agadez qui a aperçu les signaux, qui a pu se maîtriser parce qu'il y a eu une attaque la même nuit. Il y a un véhicule qui a été enlevé donc euh, le jeune homme a pris tout son courage en deux mains. Il est venu nous dépanner. On a remis notre pneu en marche. Donc euh, le vendredi aux environs de 1h30 minutes du matin, nous avons retrouvé donc euh, les autres membres de la mission qui dormaient sans se soucier hein, les points fermés. Et quand l'un d'eux s'est réveillé 30 minutes après, ce qu'il nous a dit, il nous a lancé de manière péremptoire que nous on avait pensé que vous avez eu un accident. Si bien que ça nous a tellement écuré quand on arrivé au puits de l'espoir, donc euh, au puits de l'espoir, on a retrouvé tout le monde, donc on a passé la nuit. Le lendemain, normalement, qu'est-ce qu'on devrait faire On devrait quitter ensemble. On est parti habilement ensemble. Qu'est-ce qu'on doit faire C'est de rentrer ensemble, non Et j'ai dit au chef de mission que ce véhicule n'a pas de... Il n'y a, a pas un pneu de secours. On devrait chercher un pneu de secours. On a dit que non comme il n'y a pas d'escorte militaire, lui, il ne voit pas avec qui il peut trouver un pneu de secours. Les gens n'ont pas rentré comme ça sur la et c'était risqué. Donc, euh, comme on n'avait pas trouvé de, de solutions. Nous avons quitté donc euh, vendredi à 7 heures avec euh, l'ex-militaire pour continuer la route. Et malheureusement, on s'est retrouvé, on s'est pris au piège euh, des dunes euh, mouvantes Quand ça vous prend, même si c'est à 20, c'est pas facile de faire sortir un véhicule. On avait perdu tout espoir, il y avait personne, presque tous les véhicules sont partis. Et là, on était là immobilisés de 9 heures jusqu'à 14 h pour faire sortir le véhicule par la grâce d'Allah, le clément, le miséricordieux. Il était arrivé à un moment où l'ex-militaire me disait que, bon, chef, moi, je risquerais de prendre un bidon de 20 litres, retrouver la voie principale. Et je lui ai dit, écoute, si tu pars maintenant avec un bidon de 20 litres, mais est-ce que les chefs de mission ont laissé la nourriture Il n'a rien Tu n'as pas mangé la nuit Tu n'a pas mangé ce matin-là Tu prends un bidon de 20 litres pour retrouver une voie principale que tu connais même pas. Il y a de fortes chances en tout cas que tu te repasses. fait, on a fait face à des tempêtes de sable. Parce qu'à un moment donné, on se reconnaissait même pas. Quoi. Nous, on rigolait, bon, on se reconnaissait pas. Il y avait eu une tempête de sable, tout ça. Là. On a pu retirer le véhicule de là où il était enlisé dans cette succession de dunes mouvantes, nous avons pu retrouver quand même la voie principale. On a mis cap sur le Corinne Cantana. est arrivé à côté du Corinne Cantana, on s'est restauré. C'était peut-être la fin du calvaire. Quand on vient à Corinne Cantana, c'est un village. Bon, il y a du monde, tout ça, là. Donc, on est parti à la gendarmerie. On a trouvé les gendarmes en train de prier. Ils ont fini les prier. Dès qu'ils nous ont vus, là, ils ont dit, le chef, euh, il y a le chef, je crois, je sais pas, si c'est une brigade qui est là haut je sais pas quoi. Il m'a dit que, mais, il y a des gens qui étaient dans une, euh, Hilux, là. Ils étaient là. Ils ont dit qu'ils ont laissé des gens perdus dans le désert. Ça veut dire quoi Cette expression-là. Ça veut dire qu'ils nous ont abandonnés. Il y a des qu'ils vous ont dit perdus. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils sont partis rechercher ces gens-là Est-ce qu'ils ont fait une déclaration comme quoi il y a des gens qui sont partis en mission de couverture, la vulgarisation du plan de développement régional de la région d'Agadez Ils m'ont dit non, non, non. Ils ont dit juste, que qu'ils étaient avec des gens des membres de leur mission qui sont perdus dans les ils et rentrent sur la Grèce. Et ils sont rentrés sur la Grèce, comme ça. C'est-à-dire que là, même à Tourette, ils nous ont pas attendus. On demande à ceux que les autorités d'Agadez fassent la lumière ce qui s'est passé lors de notre retour de Bilma et de Durkou. Et ensuite, à la justice de chercher ces chefs de mission afin que la lumière soit complètement faite et que ces gens soient jugé par les instances compétentes euh, des juridictions nigériennes. Vous ne pouvez pas partir en mission avec des gens, les abandonner en plein désert et venir vous coucher tranquillement à Gadez. C'était là Abdoulaye Harouna, correspondant de l'agence nigérienne de presse et de l'ONEP, annoncé et disparu dans le désert du Kawar. Il, raconte, il racontait le calvaire qu'ils ont enduré. L'opposition politique nigérienne a rendu publique une déclaration de la création d'un tout nouveau cadre de lutte hier soir au bureau politique national du modèle FA Lumana. Il s'agit du Front pour la, restauration de la démocratie et de la défense de la République, FRDDR. Objectif de ce front, défendre l'intérêt public et général et en général selon les principes démocratiques et républicain. En marge de, la, de cette déclaration, la présidente du parti Racine Hadinkai, Madame Bayar Mariama Gamache, membre de la coalition, a expliqué les objectifs et les ambitions de ce tout nouveau cadre. Il était au micro de Abdelkarim Mohamed Barmou. On n'était pas en somnolence, on était en train de réfléchir, on est en train de voir comment s'organiser pour faire en sorte que tout citoyen qui a envie, qui a besoin de s'exprimer, s'exprime. Tout citoyen qui a besoin de manifester, le fasse. En un mot, pour lutter contre la pensée unique. Vous avez vu dans quelle dérive démocratique et républicaine, nous sommes rentrés. Vous avez tous assisté au hold-up électoral qui a été fait dans ce pays. Nous nous sommes constitués en front pour faire en sorte que le Niger redevienne ce havre de paix. Le Niger redevienne ce pays où le consensus prévaut. Le Niger redevienne ce pays où l'importance des valeurs de notre civilisation, de nos valeurs culturelles, les valeurs de notre sainte religion, où l'importance de la parole donnée prévaut. Donc c'est pour ça, entre autres, que nous nous sommes constitués en front pour défendre l'intérêt public, pour défendre l'intérêt général selon les principes démocratiques et républicains. Donc nous avons mené une très longue réflexion et c'est aujourd'hui que nous avons estimé utile de rendre des réflexions publiques par la formalisation donc de notre front. Nous sommes tous des partis, des grandes filles et des grands garçons. Donc on s'engage selon notre, éthique, notre degré d'engagement et notre degré de confiance, de conscience, notre degré de patriotisme. Donc chacun est libre d'adhérer au front. C'est ce que nous avons dit donc dans notre déclaration. Nous nous sommes profondément convaincus qu'il faut se battre pour le Niger. Nous sommes déterminés à ce que cette démocratie pour laquelle il y a eu du sang versé, pour laquelle il y a eu tant de sacrifices et pour laquelle Vraiment, on est en train de s'engager. Nous sommes déterminés à faire en sorte que ces valeurs républicaines reviennent. Nous sommes déterminés à faire en sorte que un Nigérien égale à un autre Nigérien. Il n'y a pas de super Nigérien. Il n'y a pas de bétail électoral et de princes héritier de la politique. Il n'y en a pas. Donc nous sommes déterminés pour l'amour que nous portons à notre pays. Nous aimons profondément le Niger. Et il n'y a pas d'autre solution que de se battre, que de mener ce combat qui vaille. C'est le combat de la démocratie. C'est le combat pour le Niger. Le combat pour que chacun se sente chez lui au Niger, pas qu'on l'embastille qu'on le, malmène, qu'on le mette en prison et, qu'il ne puisse pas s'exprimer. Donc nous sommes déterminés. Même si nous ne réussissons pas tout de suite, il faudrait que les patriotes, que d'autres aussi, prennent le flambeau jusqu'à ce qu'on redevienne vraiment un pays libre, démocratique, paisible et où la justice règne à maître. Donc voilà pourquoi nous sommes condamnés, si nous voulons vivre dans une société équitable, vraiment et, républicaine et paisible, nous sommes condamnés à nous battre pour ces valeurs-là, pour ces principes, parce que nous sommes en société et le Niger appartient à tout le monde. Et tous les Nigériens que nous sommes, nous avons les mêmes droits. Nous avons une constitution, il faut la respecter. Nous avons des juges, il faut les laisser faire leur travail. Nous avons des citoyens qui veulent s'exprimer, il faut les laisser s'exprimer. Nous avons des richesses, elles nous appartiennent à nous tous. Il faut que chacun jouissent de ces richesses-là. C'est fondamental, c'est important si on veut que le Niger évolue comme un havre de paix, comme un pays démocratique qui doit l'être. Et il est aussi fondamentalement important que chacun accède vraiment de manière équitable à tous les services sociaux de base. Personnellement, je le réaffirme chaque fois, il faut que l'action politique serve l'utilité sociale. Donc voilà pourquoi nous sommes condamnés donc à nous battre. Et nous allons le faire et nous allons le condamner. Tant qu'il me restera un seul souffle de vie, je me suis engagée à me battre pour que mon pays devienne vraiment un pays de progrès, un pays démocratique et un pays où les gens vraiment échangent dans la paix et la sérénité. C'était la, présidente du parti Racine Hadinkai, Mme Bayar Mariama Gamake, relativement donc aux objectifs assignés au tout nouveau Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, FRDDR. La cinquième édition de la semaine culturelle et sportive des scolaires nigériens a commencé aujourd'hui au Palais des Congrès de Niamey. L'apparition d'une nouvelle forme de migration vers l'Algérie impliquant des femmes et des enfants pris dans les mailles des réseaux criminels, a l'un des thèmes abordés ce matin par le ministre de l'Intérieur, parrain de cette édition. Le ministre de l'Intérieur, Bazoum Mohamed, a d'ailleurs analysé en détail la question des migrations à laquelle est confronté le Niger. Bazou Mohamed est au micro de Foudey Ahmed Tarnan. De par sa position charnière en Afrique au sud du Sahara et l'Afrique du Nord, le Niger est non seulement un pays d'accueil et de départ des migrants, mais il est également et surtout un pays de transit. En effet, des milliers de Nigériens quittent chaque année le territoire national en vue d'une migration économique principalement vers les pays d'Afrique du Nord et du Golfe de Guinée, de l'Afrique de l'Ouest par conséquent. Cette migration traditionnelle, si elle comporte à l'évidence des inconvénients, elle a aussi surtout ses bienfaits. Elle résulte principalement des effets de mauvaise performance de notre système agricole et de la dégradation de l'environnement. Ces toutes dernières années, nous avons assisté à l'apparition d'une nouvelle forme de migration en direction de l'Algérie impliquant surtout les femmes et les enfants pris dans les mailles de réseaux criminels transnationaux bien constitués. Cette migration d'un genre nouveau concerne le département de Cantier dans la région des Indères. Ces femmes et ces enfants vont pour se livrer à la mendicité et sont très souvent exposés à des dangers de toutes sortes et ce, malgré toutes les dispositions prises par l'État suite aux drames survenus en 2013 et en 2015 qui auront coûté la vie à des dizaines de personnes, dont majoritairement des femmes et des enfants, justement. Le Niger est aussi, je l'ai dit tout à l'heure, une zone de transit de nombreux migrants africains vers l'Europe via la Libye principalement ces derniers temps. C'est ainsi en effet que chaque année, des milliers d'Africains affrontent la mort dans le désert au risque justement de perdre leur vie. Le gouvernement, avec l'appui des partenaires internationaux, lutte contre ces fléaux. Mesdames et messieurs, les risques encourus par ces candidats à la migration irrégulière sont importants. Il s'agit notamment, notamment du risque de mort dans la traversée du Sahara, de la précarité de la situation des migrants irréguliers à destination ou dans les pays de transit, du risque de refoulement, du risque de maladies sexuellement transmissibles pour les femmes qui parfois, sinon souvent, combinent mendicité et prostitution, du risque lié aux peines en cas d'appréhension par les dispositifs de coercition des pays concernés, de la déscolarisation des enfants, de leur dépersonnalisation et de l'impossibilité pour ces enfants à apprendre un métier lorsque pendant toute leur tendre enfance, ils ont été dressés uniquement à tendre la main pour mendier. Chers amis étudiants et scolaires, au cours de votre manifestation que vous organisez à partir d'aujourd'hui, vous aurez à organiser entre autres des panels animés par des experts sur les différents aspects de la migration notamment sur ses avantages et ses inconvénients, particulièrement dans ses formes irrégulières. Les participants, que sont les scolaires, seront ainsi informés sur les migrations irrégulières et seront des agents de sensibilisation de leurs camarades dans leurs établissements respectifs. Ils seront aussi outillés pour informer et sensibiliser les populations de leurs lieux de résidence, de vacances et d'études quant aux méfaits de la migration irrégulière. De plus, cette initiative d'informer et de former vos camarades sur les phénomènes de migration contribuera plus tard, j'en suis persuadé, à réduire la fuite des cerveaux de notre pays. De ce fait, Monsieur le Secrétaire général, vous êtes en train de participer activement à la construction du Niger de demain. C'était là le ministre de l'Intérieur Bazoum Mohamed, président de la cérémonie d'ouverture de la cinquième édition de la semaine culturelle et sportive des scolaires nigériens qui a commencé aujourd'hui au Palais des Congrès de Niamey. une loi sur le VIH-Sida est en application. C'est la loi en 2015 du 26 mai 2015 qui corrige les insuffisances de la loi du 30 avril 2007 sur la prévention, la prise en charge et le contrôle du VIH au Niger. Ces, insuffisances ont notamment trait à la protection juridique des personnes vivant avec le VIH-Sida ou encore à la protection des populations vulnérables comme les enfants, les femmes et les détenus vivant avec le VIH. La loi 2015 est en vigueur et la coordination intersectorielle de lutte contre le sida s'attelle à, la sa vulgarisation. Euh, que dit cette loi euh, sur le VIH euh, Quelles sont ses lignes directrices pour mieux réussir la lutte contre le VIH-Sida C'est entre autres questions que notre reporter Hamadou Moumouni a posées au Conseil juridique de la coordination intersectorielle de lutte contre le VIH-Sida, M. Kassoum Ibrahim, que je vous propose de suivre. Nous avons pu aboutir en 2015 au vote par l'Assemblée nationale de la nouvelle loi relative donc à la prévention, la prise en charge et le contrôle du VIH et qui est donc la loi 2015-30 du 26 mai 2015. Actuellement, c'est cette loi-là qui est en vigueur parce qu'elle a été promulguée par le président de la République. Donc, euh, dans ces dispositions qui ne nécessitent pas euh, un décret d'application, les dispositions de lutte contre la discrimination et la stigmatisation liées au VIH, les dispositions pénales, donc toutes ces dispositions qui ne nécessitent pas un décret d'application. Ces dispositions sont applicables. Maintenant, nous avons préparé donc euh, un décret d'application des dispositions qui nécessitent donc euh, un décret pour pouvoir euh, rendre opérationnel un certain nombre de dispositions de la loi. Ce décret-là, il est dans le circuit d'adoption. Il sera bientôt adopté en Conseil des ministres et on pourra déjà travailler avec. Ce décret a trait à quoi Ce décret a trait, par exemple, à l'application de certaines dispositions. Comme vous le savez, la loi, elle pose des principes. Euh, la loi, elle pose des principes et des règles générales. Par exemple, la loi dit en matière de droit à la santé pour les personnes vivant avec le VIH. La loi dit que le droit à la santé pour les personnes vivant avec le VIH est gratuite et globale, la prise en charge de ces personnes-là. Mais le détail de cette gratuité-là et de cette globalité-là doit être précisé dans le décret d'application. L'État va dire, voilà, nous, on prend en charge gratuitement. Le dépistage du VIH, c'est gratuit. Les, les, les, médicaments antirétroviraux sont gratuits. L'État va dire aussi, par exemple, certaines maladies opportunistes qui touchent euh, les personnes vivant avec le VIH, telles que la tuberculose, certaines maladies opportunistes, euh, l'État peut dire qu'elle les prend en charge, les IST par exemple. Elle dit, elle peut dire, je prends en charge telle maladie, telle maladie. Comme on le sait, la tuberculose est une maladie opportuniste du VIH-Sida et l'État prend cela déjà en charge gratuitement. Euh, donc il y a d'autres maladies opportunistes parce qu'il y a une trentaine de maladies opportunistes. L'État va dire voilà les maladies que moi je prends en charge. Dans ce décret d'application, toujours dans le cadre de la prise en charge par exemple, l'État peut dire voilà les examens que par exemple je peux prendre en charge pour les personnes vivant avec le VIH certains examens tels que la radio, certains examens. Voilà un peu euh, ce que euh, contiendra donc ce décret d'application. Et elle va préciser, comme je l'ai dit, certaines dispositions de la loi, parce que la loi pose des principes et le décret fixe euh, donc les règles d'application. Le décret, il a déjà été validé en atelier de validation. Il a, il a été porté par euh, la coordination intersectorielle de lutte contre le sida et à travers le ministère de la Santé, ce décret est déjà au niveau du secrétaire général du gouvernement. Nous pensons incessamment qu'il sera adopté. Pourquoi une loi sur le VIH-Sida au Niger comme vous le savez, euh, la lutte contre le VIH-Sida, euh, elle a une particularité. Parce que le VIH-Sida n'est pas comme toutes les autres maladies, euh, si vous voulez, infectieuses. Le VIH-Sida, il a ses particularités. Aujourd'hui, on ne peut pas, on ne connaît pas exactement les symptômes du VIH-Sida. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tant que vous n'avez pas fait un dépistage du VIH, on ne peut pas savoir que vous avez le VIH. Ensuite, vous pouvez avoir le VIH et vivre longtemps avec le VIH sans déclencher aucun, aucun signe clinique extérieur. Et troisièmement, donc, euh, compte tenu de ces deux facteurs-là, il est très difficile de lutter contre le VIH tant que nous ne prenons pas en compte un certain nombre de, de préoccupations telles que le respect des droits humains des gens. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, le véritable problème qui freine la, la lutte contre le VIH, c'est la stigmatisation qui est liée à cette maladie. Bien sûr, aujourd'hui, on peut se réjouir. Il n'y a pas beaucoup de stigmatisation à l'endroit des personnes vivant avec le VIH, compte tenu de toute la campagne de sensibilisation et autres qu'il y a eu. Mais il y a toujours cette peur des gens d'aller se faire dépister parce que, comme vous le savez, le non-respect de la confidentialité, c'est-à-dire y est un droit fondamental, le droit au respect de la vie privée, lorsque vous faites le test de dépistage du VIH, parfois, le non-respect de la confidentialité fait en sorte que votre statut positif est divulgué et cela vous cause des ennuis, non seulement avec, dans, le cadre de, dans votre cadre de vie environnementale, sociétal, mais aussi au travail, sur le plan du travail aussi, et un peu partout. Vous êtes confronté donc à de la stigmatisation et même à la discrimination. Donc dans ce cadre-là, il était important, puisqu'il est au Niger, il n'y avait pas une loi qui protège de la discrimination liée au VIH. Donc il était important de prendre une loi spécifique pour protéger les personnes vivant avec le VIH de la stigmatisation et de la discrimination et les amener par là, donc amener les gens à ne pas avoir peur d'aller se faire dépister puisqu'ils sont protégés par la loi et d'aller se faire traiter pour pouvoir protéger la, population. Parce que tant que vous ne vous dépistez pas à temps, vous ne savez pas que vous avez cette, euh, ce VIH dans votre corps, vous allez le propager autour de vous, avec vos conjoints, avec vos partenaires sexuels. Parce que, comme je l'ai dit, il y a une période de latence qui peut durer dix ans sans que vous ne développez les signes cliniques. Pendant dix ans, vous pouvez répandre cette maladie-là autour de vous. Donc, il fallait mettre en place une loi pour protéger les gens et les amener donc à être rassurés par rapport à la stigmatisation et la discrimination. En quoi est-ce que la loi améliore la lutte contre, contre la stigmatisation, la, discrimination. Comme je le disais, hein, cette loi, elle est importante pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination. Le premier avantage que la loi pose pour les personnes vivant avec le VIH, c'est que tout acte de discrimination à l'endroit d'une personne vivant avec le VIH peut être poursuivi pénalement. La personne qui est coupable d'un acte de discrimination à l'encontre d'une personne vivant avec le VIH lié à son statut sérologique peut être poursuivie en justice et être condamné à, une peine de prison et à une amende. Mais c'est quoi discriminer Je vous donne par exemple l'exemple euh, d'un restaurant par exemple. Un restaurant euh, qui dit que bon, lui, il, ne recrute pas des personnes qui vivent avec le VIH parce que ils ont peur que cette personne-là euh, contamine les plats ou quelque chose comme ça. Ça, c'est un acte de discrimination lié au statut sérologique. Par exemple, vous avez euh, euh, des, des, travailleurs et des employeurs qui refusent de recruter des personnes vivant avec le VIH. Parce que pour eux, ces gens-là ne sont pas productifs, ils font toujours tomber malades, et donc il ne faut pas qu'ils qu les recrutent. Donc dans, les, dans le cadre du recrutement, les gens, ces employeurs-là demandent à ce qu'un test VIH soit fait par le, par le, <laughs> par la, la, le candidat. Donc vous voyez, tout ça, c'est de, la discrimination liée au statut sérologique. Et il y a aussi plein d'autres exemples que, qui existent où les gens, par exemple, vous savez que dans certains pays de la sous-région, les étudiants, par exemple, qui vont étudier dans les pays maghrébins, certains pays maghrébins, on exige un test de non-contamination VIH pour accepter la personne dans l'université. Il y a beaucoup de, de, de cas comme ça. Donc, ce qui fait que les personnes vivant avec le VIH, eh, elles sont, elles sont, eh, on dirait qu'elles sont exclues de, beaucoup de possibilités. En quoi est-ce que la loi résout l'exclusion La loi, la loi dit que, la loi dit par exemple dans le cadre du travail que il n'y a pas de test de VIH à demander au cours du recrutement. Ça, c'est un principe que la loi pose. Et tout employeur qui va demander ce test-là à un candidat, il peut être poursuivi pénalement. On ne peut pas faire de test de dépistage obligatoire à quelqu'un. Il faut que son consentement soit requis. Et quand vous prenez dans le domaine de l'éducation, on ne peut pas refuser de recruter. La loi interdit à ceux que on, refuse de recruter un élève sur la base de son statut sérologique VIH positif. Quand vous prenez dans le domaine des assurances, l'assurance maladie par exemple, les assureurs, la loi leur interdit de demander le test de dépistage du VIH pour la souscription d'une assurance vie. Et donc la loi pose beaucoup de d'interdictions comme ça qui sont des actes de discrimination, ce sont des exemples d'actes de discrimination que connaissent les personnes vivant avec le VIH. On ne peut pas aussi interdire à une personne vivant avec le VIH de se marier parce que il y a aujourd'hui beaucoup d'actes de discrimination qui font que les personnes vivant avec le VIH, les gens ne veulent même pas connaître leur statut sérologique, à plus forte raison être confrontés donc à cette stigmatisation à cette discrimination. Donc ce qui fait que nous, euh, intervenant donc dans la riposte au VIH, nous n'avons pas de bons résultats dans le cadre de la lutte contre le VIH. Parce que tant que les gens ne vont pas se faire dépister, on ne pourra pas les traiter et on ne pourra pas réduire on ne pourra pas réduire la propagation du VIH. Donc la loi, c'est ça l'intérêt lutter contre la stigmatisation partout, dans les centres de santé, sur les lieux de travail, partout dans la société, pour que les personnes vivant avec le VIH se sentent concernées et ne se sentent pas exclues et suivent leur traitement normal. Il y a aussi les actes de dénonciation, semble-t-il. Le fait de dire au public que celui-là c'est un séro, positif, etc. Oui, c'est, ceci est un acte de stigmatisation, ceci est un acte de discrimination. Et il peut être poursuivi en justice pour discrimination donc liée au VIH-Sida. Et cette personne qui est coupable de divulgation du statut de quelqu'un en public ou bien au cours d'une bagarre ou autre, cette personne peut être poursuivie en justice. Elle peut être punie pour cela. Quelles sont les peines Pour les actes de discrimination, les peines vont de 6 mois à, 2 ans de prison. Et il y a une amende qui va jusqu'à 500 000. Donc vous voyez que les actes de discrimination sont vraiment interdits. Elles peuvent aller même au pénal. Et, et vraiment la personne peut encourir donc la prison pour la stigmatisation La stigmatisation, vous savez, il y a deux catégories d'actes. Euh, les actes de discrimination qui sont faits dans le cadre d'institutions. Nous pouvons lutter contre ça. Nous pouvons, par exemple, si une personne vient avec le VIH est victime d'un acte de stigmatisation dans un centre de santé ou bien sur son lieu de travail, nous pouvons combattre cela. Parce que c'est un acte de discrimination qui est fait dans un milieu institutionnel, c'est-à-dire dans le cadre d'un travail ou quelque chose comme ça. Maintenant, il y a l'autre forme de stigmatisation qui est beaucoup plus sociétale, c'est-à-dire qui, se passe dans la société. Aujourd'hui, vous pouvez, votre meilleur ami peut vous stigmatiser. Il peut refuser votre amitié juste parce qu'il a appris que vous avez le VIH. Ça, on ne peut pas combattre cela. Chez vous, par exemple, dans, dans, dans, dans votre famille, on peut vous stigmatiser en, prenant, par exemple, en ne mangeant pas avec vous. La discrimination contre laquelle nous luttons, il faut qu'elle crée une rupture d'égalité des chances pour les citoyens. Aujourd'hui, une personne vit avec le VIH, elle a tous les droits que reconnaît la Constitution du Niger. Elle a le droit au travail, le droit à la santé, le droit euh, à l'éducation, le droit de se marier, le droit de fonder une famille. Elle a tous ces droits-là que tout le monde a. Les textes sont là, mais est-ce qu'ils sont appliqués Pour l'application des textes, nous sommes en train présentement de faire la vulgarisation de la loi auprès des, différents acteurs qui sont chargés justement de l'application des lois. Vous avez des cas de discrimination, de stigmatisation qui ont été euh, pénalisés Oui, nous avons des cas qui ont été jusqu'en justice, parce que comme vous le savez, c'est une question très délicate pour les gens qui poursuivent. Parce qu'une personne vivant avec le VIH qui poursuit pour un acte de discrimination, généralement, elle cherche, euh, elle ne veut pas faire de la publicité autour de sa maladie. Donc la difficulté parfois pour qu'on arrive jusqu'au tribunal et parfois certains désistent. Mais on a, euh, à, cette date que je vous parle, on a au moins trois ou quatre cas d'actes de discrimination qui ont été jugés en justice et, où bon, on a eu gain de cause. La personne qui a été coupable de cet acte-là a été condamnée et nous avons eu gain de cause. D'autres dossiers, par exemple, sont au niveau de la cour d'appel. La loi euh, sur le VIH a beaucoup amélioré la lutte contre le VIH. Je peux dire que euh, l'existence de la loi sur le VIH a quand même permis d'encadrer la lutte contre le VIH et a permis aussi de mieux protéger les personnes vivant avec le VIH et surtout d'amener plus de gens à se faire dépister et pour connaître leur statut sur, euh, leur traitement. Parce qu'ils savent qu'il y a une loi qui les protège. Ils savent que les acteurs, que sont les, les magistrats, les officiers de police sont au courant de cette loi et ils peuvent s'adresser à eux lorsque leurs droits sont bafoués. Et les droits, ces droits-là sont contenus dans la loi, ils sont spécifiés dans la loi. Et même l'État a fait des efforts à reconnaissant le droit à la santé des personnes vivant avec le VIH et en leur donnant des médicaments gratuitement et en les traitant gratuitement. Et je pense que c'est une grosse avancée. Monsieur Kassou, merci beaucoup. C'était la Kassoum Ibrahim, conseil juridique à la coordination intersectorielle de lutte contre le VIH-Sida. Les suites euh, du meeting organisé le week-end dernier et par le mouvement unique de la société civile de la localité d'Arlit, meeting qui avait dégénéré en affrontement entre les participants et la police. Euh, sur euh, les 71 personnes interpellées ce samedi matin, il a resté hier 19. Neuf ont été depuis hier libérés et les 10 autres ont été mises à la disposition de la justice comparaîtront mardi prochain. Parmi les personnes libérées hier, Abarchi Hassan, coordinateur du mouvement, joint au, euh, téléphone par Gungu Mohamed Dantani depuis Arlita. Oui, bonjour. Bonjour. Le week-end dernier, la société civile, dont le mouvement unique de la société civile d'Arlit, a organisé un meeting euh, à l'issue duquel la situation a dégénéré où un certain nombre de responsables de cette structure ont été arrêtés et un nombre de participants. Pouvez-vous nous faire un résumé de la situation et nous dire à quelle évolution nous sommes à l'heure actuelle Nous à des coupures, voire la France totale de l'électricité à Arlit, au manque d'emploi, au manque d'une frange de la société civile, le constituait un mouvement unique des organisations de la société civile, dont je suis le coordinateur, a initié un meeting pour expliquer nos préoccupations, dégager les voies et moyens pour chercher la résolution de ces problèmes. Nous sommes partis déposer notre information de la manifestation au niveau de la mairie, comme le prévoit le texte de la République. Le maire nous a donné un avis favorable pour euh, l'information. Nous nous sommes attelés à préparer notre euh, meeting à la tribune officielle. Aux environs de 22 h la veille du meeting, le commissaire euh, Darlit nous a appelé et nous a dit que tenir ce meeting dans une place publique et assujetti à un décret de 2004 qui dit qu'il faut une semaine de délai. Il nous dit à l'étenant là-bas, donc c'est vraiment porter une entorse euh, au texte. Et il nous a dit les peines qu'on encourt. Nous avons cherché avec lui des alternatives. Nous nous sommes rendus à lui au niveau de la maison du secrétaire général de la préfecture pour demander la déventure de la préfecture. Le secrétaire s'est opposé. Nous avons dit sur ça au au meeting pour nous conformer. Toujours est-il que ce n'est pas les laisser, mais on va les tenir, mais les laisser respecter les délais francs et tout. Et on verra bien comment on peut nous obstruer cette euh, liberté donnée par la démocratie. Au retour, donc, nous avons suggéré même qu'on va annuler les meetings, puisqu'il y a des désagréments qui seront posés par euh, les changements du livre. Il nous a soutenus à continuer. Les maires... Euh, nous a appelé pour nous dire de les faire à la mairie, il n'y a rien, donc pour nous rassurer. Malheureusement, les jours de l'organisation donc du meeting, la foule qui commence à commencer au niveau de la tribu les liens indiqués par les premiers communiqués, qui est annulé par les deuxième dont nous avons indiqué aux manifestants de partir vers la mairie pour la lecture de, la déclaration. donc, la foule s'est opposée au changement du lieu. De là, les esprits se sont échauffés. Pour apaiser cela, les premiers et les deuxièmes vice-maires, pour calmer l'esprit, donc, nous ont dit de faire l'activité à la tribune officielle, alors que nos chaises et tout notre équipement se trouvent au niveau de la mairie. Nous avons tenu à les faire. Nous avons lu la déclaration mais c'est dans un brouhaha vraiment énorme parce que la foule est déjà surchauffée et excitée. Après la lecture donc et la fin de la manifestation, maintenant les participants qui sont en face de la tribune, qui sont à côté, donc ont commencé à brûler des pneus sur la route. La police a chargé sur eux et la manifestation s'est euh, propagée dans la ville. Il y a eu interpellation des des manifestants le dimanche. Le lundi, vers 10h, alors que nous sommes dans la ville en train de faire ramener l'ordre des bonnes consignes d'apaisement. Donc nous, nous avons été interpellés en tant qu'organisateurs de cette manifestation. Voilà pour ce qui est de l'interpellation. Donc à 3h30, donc, ils nous ont annoncé notre garde à vie. Le processus judiciaire a commencé. Donc nous avons été gardés à vie 48 heures, plus un délai aussi de plus de 6 heures supplémentaires parce qu'il y avait eu un problème où presque nous, les quatre détenus organisateurs de la, de la manifestation, donc euh, chacun a des antécédents sanitaires et il est suivi soit par un médecin parce que la, majoritairement nous sommes hypertendus. Le processus a tardé jusqu'aux environs des 17 heures. ils nous ont déféré devant les procureurs qui a entendu avant de nous libérer sur les, 19 qui ont été déférés parce que sur les 70 la, partie restante a été libérée dès le commissariat pour insuffisance de ce charge. Cela veut dire que présentement, il y a d'autres euh, manifestants qui sont au niveau de locaux du commissariat oui, présentement, il y a 10 manifestants qui sont au niveau, de la... C'est généralement les manifestants qu'ils ont pris lors des échafourées qui ont fait une résistance à la police. Quel est le sort qui leur a été réservé maintenant On nous a dit que c'est le mardi que y aura les, procès. Donc même nous, nous allons nous rendre. Mais nous espérons que vraiment l'affaire sera close et qu'ils seront libérés pour vraiment euh, faire ramener l'intégralité du calme dans la ville. Nous pensons continuer pour ramener un peu à notre population qui a tant besoin. C'était la Abarchi Hassan, coordonnateur du mouvement unique de la société civile d'Arlita. Dernier aspect de ce forum, le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement en collaboration avec l'UNICEF ont organisé ce matin une rencontre sur l'assainissement appelée séance de déclenchement institutionnel de l'hygiène et de l'assainissement. Objectif euh, de cette euh, rencontre, euh, lutter contre les pratiques de défection à l'air libre dans les villes et campagnes. Selon Dandobi Moussa, chef de division des, des infrastructures d'hygiène et assainissement en milieu urbain, cela permettra d'éviter plusieurs maladies liées au manque d'hygiène, notamment les maladies intestinales. Il est au micro de Soumana Amadou. C'est une rencontre très importante, euh, disons capitale, parce que nous avons la visite ici au Niger du fondateur de l'ATPC, c'est-à-dire l'assainissement total piloté par la communauté. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on veut un engagement, une détermination de la communauté elle-même, que les villageois eux-mêmes acceptent le changement de leur comportement euh, en matière d'assainissement. Donc euh, c'est lui qui a créé ça et il rend visite et il veut à ce titre-là qu'il ait un engagement formel de toutes les institutions du Niger. Voilà pourquoi on a appelé ça déclenchement institutionnel que toutes les institutions du Niger acceptent donc désormais d'arrêter la défécation à l'air libre, c'est-à-dire que, que personne n'aille et au village et dans les villes. Vous savez que ça ne concerne pas que les villages. Actuellement, si vous visitez Niamey, vous allez voir dans certains ruelles du Niamey, il y a des gens qui sont en train de déféquer à l'air libre. Donc on veut que ceci s'arrête. Et pour que ceci s'arrête, il faut un engagement, un changement de comportement au niveau donc de l'État, au niveau de toutes les institutions. Donc c'est ça qui est en train de se faire actuellement au niveau du ministère de l'Hydraulique et de l'assainissement qui a invité tous ceux qui interviennent dans la TPC, donc dans l'assainissement, pour qu'ils viennent s'engager ensemble de ne plus accepter de déféquer à l'air libre eux-mêmes et d'être les moteurs, d'être les pionniers pour que personne ne le fasse autrement et ailleurs autre que euh, ce qu'on veut. Quelle sera votre prochaine stratégie à la sortie de cette rencontre À la sortie de cette rencontre-là, nous avons euh, la formation des formateurs en ATPC qui se passera à Maradi durant cinq jours. Tout le Niger sera regroupé à Maradi pour pouvoir former les formateurs donc en ATPC. Je suis en train de dire, c'est l'assainissement total piloté par la communauté. Donc une fois qu'on a fini avec la formation des formateurs à Maradi, on retournera ici à Niamey pour cette fois-ci faire un atelier aussi avec toutes les institutions et tous ceux qui sont concernés par l'assainissement ici au Niger durant deux jours. Donc un atelier de deux jours où on va pouvoir expliquer à tout le monde et les gens vont s'engager définitivement pour arrêter. Vous avez suivi tout à l'heure dans la salle, il y a des pays qui, lorsqu'ils ont déclenché, à moins de deux ans, ils ont eu des résultats extraordinaires. Donc il veut que le Niger, vu la manière dont les autorités sont engagées, il espère que nous aussi, nous serons les pionniers en Afrique et nous allons pouvoir montrer que nous sommes engagés et que nous voulons la propriété, nous voulons la santé du Niger Enfin, parce que nous sommes pratiquement les derniers au Niger sur ce point aussi, sur le, au monde plutôt. Qui sont ceux qui sont en train de vous appuyer Actuellement, cette réunion-là, c'est l'UNICEF, c'est l'appui de l'UNICEF. L'UNICEF n'est pas la seule. Il y a les autres institutions. Il y a par exemple, nous avons la SNV qui, qui a fait le déclenchement institutionnel et qui continuera à faire le déclenchement institutionnel aussi sur le plan national. Mais pour le moment, pour la journée d'aujourd'hui, c'est l'UNICEF qui est en train de, de diriger les choses. C'était là Dandobi Moussa, chef de division des infrastructures d'hygiène et assainissement en milieu urbain. Et nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Au revoir.